le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 45 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Dissidio Kalangou, notre site internet www.dissidiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème Comment faire face aux dépenses liées aux cérémonies au Niger Les cérémonies de mariage et de baptême constituent des événements importants dans la vie de l'homme et qu'il convient de célébrer dans la joie et la convivialité. Il apparaît que cet événement constitue pour beaucoup un facteur de stress. En effet, de nos jours, les dépenses liées aux préparatifs du mariage et du baptême sont assez coûteuses au Niger. Ces dépenses ostentatoires lors de certains événements sociaux sont assez préoccupantes au point de faire l'objet d'une communication conjointe du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Renaissance culturelle et du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant au Conseil des ministres du vendredi 26 juin 2020. C'est dans cette optique qu'un comité technique chargé de réfléchir sur les dépenses ostentatoires à l'occasion des événements a été créé. La solution proposée par ce comité porte sur l'organisation d'une large campagne de sensibilisation et qui vise une prise de conscience populaire relative aux dépenses inutiles engagées à l'occasion des dix événements. Ces actions de sensibilisation se feront à travers les médias, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les acteurs culturels et les organisations des femmes et des jeunes. Avec euh, nos invités, nous allons voir euh, les causes et les conséquences des dépenses ostentatoires ainsi que le gaspillage lors des cérémonies et autres événements. Enfin, nous tenterons de proposer des solutions durables à ces préoccupations. Pour ce faire, nous avons dans ce studio à Madame Babi Kadiga, directrice de la culture civique et de la sensibilisation au ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. Madame Babi Kadiga, bonsoir. Bonsoir et Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, prédicateur en islam. Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, bonsoir. Bonsoir. Nous avions également invité l'Alliance des missions et églises évangéliques euh, du Niger, Amen, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, suivons d'abord euh, la réaction du sociologue Alou Issa Aye sur euh, les causes des gaspillages et des dépenses ostentatoires lors des cérémonies et autres événements au Niger. En fait, si on doit parler véritablement des de causes, je pense qu'il faut retourner un peu sur notre culture, notre manière de, de construire l'homme nigérien. Il se trouve que malheureusement, nous sommes dans une société où on a privilégié ce que j'ai l'habitude d'appeler l'hypocrisie sociétale. C'est vrai, la société en soi, elle condamne l'hypocrisie. Mais dans l'aspect du paraître, dans l'aspect du mativisme, on accepte que tu puisses paraître te sacrifier pour faire plaisir aux autres. Et malheureusement, le socle de notre société, quelque part, est basé sur ça. On construit l'individu pour qu'il puisse paraître à des occasions, et surtout ces genres des occasions, mariage, baptême, et maintenant même les décès. Il faudrait tout faire pour impressionner les autres, pour montrer que vous êtes à la hauteur de l'événement, même si par ailleurs, dans votre vécu au quotidien, vous faites face à des difficultés, vous faites face à des problèmes. Et ça, c'est malheureusement une construction sociétale qui est un des côtés négatifs, si vous voulez, de nos valeurs culturelles qu'il faudrait véritablement combattre. Parce que ne sert à rien de vouloir plaire à autrui alors que dans son fort intérieur, on se sacrifie. Et malheureusement, la situation sur quoi Ce que nous construisons des êtres beaucoup plus liés sur l'irrationnel que des individus rationnels. Il faut voir aujourd'hui le retard que nous sommes en train d'accumuler. N'empêchera pas que le Nigérien soit à mesure de montrer, de faire des gaspillages ostentatoires, alors qu'on préférera vivre dans la dette et s'endetter au maximum pour plaire à la communauté, pour plaire à la société, au lieu de faire des réalisations qui aujourd'hui ou euh, demain seront profitables à vous, mais également à vos enfants. Donc nous sommes véritablement dans cette situation, comme je le disais, d'une société où l'hypocrisie sociétale est en vogue. Et là, il faudrait forcément arrêter. Parce que tant qu'on n'arrête pas, on risque de partir vers la dérive. La preuve, nous sommes déjà derniers. Et vous allez voir difficilement un Nigérien, en tout cas, qui ne soit pas endetté lorsqu'il y a des activités ou des événements pareils. Madame Babi Kadija, vous venez là d'écouter les sociologues. Euh, quel commentaire euh, sa réaction suscite en vous Bon, le commentaire que j'ai à faire par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est un constat amer malheureusement qu'il vient de faire et que nous faisons également tous les jours. Nous, euh, depuis 2017, nous sommes en train euh, de travailler là-dessus. En dehors des dépenses ostentatoires, nous avons également la mendicité. Donc, comme il l'a dit, l'hypocrisie sociale, ce n'est pas de l'hypocrisie sociale, mais c'est de l'inconscience sociale. Je prends un exemple. Et vous avez deux femmes. Euh, en un an, ces deux femmes vous donnent trois bébés. Il y a une qui vous accouche deux et un donne un. Il y a la deuxième qui vous donne un bébé, ça fait trois. En un an, vous avez fait deux baptêmes. Il faut voir les dépenses qui sont autour de ces baptêmes. Et c'est comme il l'a dit, en dehors de l'habillement qu'il faut faire, il y a également faire manger les autres. Et si vous prenez les dépenses, ça tourne autour de presque 500 000 par baptême. Multiplié par deux, ça fait un million. Et s'il faut dépenser un million par an, et c'est peut-être toutes les années, parce que souvent, il y en a qui vous accouchent tous les ans. Vous voyez ce que ça fait en, cinq ans, euh, ce qu'il a investi à donner la vie, certes, mais moi, je me dis que ce n'est vraiment pas un gain, surtout s'il n'a même pas où loger. Et quel avenir il va donner à ses enfants Quel avenir il réserve à sa famille Vous voyez Donc moi, sincèrement, hein, par rapport à cela, euh, par rapport aux commentaires qu'il viennent de faire, je me dis que paraître pour être, ce n'est pas notre finalité. Parce que eh, tout un individu doit se fixer des objectifs. Le premier objectif, c'est trouver un travail. Quand vous avez le travail, cherchez où dormir. Vous avez où dormir, c'est en ce moment qu'il faut songer à fonder un foyer. Et si on fonde le foyer, il faut sonder à comment faire grandir ce foyer. Ce n'est pas accoucher tous les ans, ce n'est pas à tout bout de champ qu'il faut se marier également. Donc, il y a la SR qu'il faut prôner, la santé de la reproduction qu'il faut prôner. Donc, moi, sincèrement, je suis David avec lui. Et surtout, euh, il y a certaines familles, pas des moindres, les grandes familles, là, hein, lors des mariages, des baptêmes, vraiment, c'est des dépenses à ne pas finir. Même maintenant, lors des funérailles, c'est comme ça. C'est des plateaux de manger qu'on amène de, de toute variété et on veut paraître pour être comme il l'a dit. Et moi, je me dis que ce n'est pas la finalité. Ce n'est sincèrement pas la finalité. Madame Babi Kadiga, certains événements sociaux tels que euh, le mariage, le baptême et le décès donnent lieu à des dépenses euh, qui ont tendance à connaître une inflation en parfaite contradiction avec le pouvoir d'achat et des revenus euh, réels des ménages. Cette décision du gouvernement ne vient-elle pas en retard Je me dis que mieux vaut tard que jamais et il n'est wat kulka ka aga don donc moi je me dis que ce n'est jamais trop tard et sincèrement je suis désolée pour la population ce n'est pas au gouvernement de prendre certaines décisions à notre place ce n'est pas au gouvernement de vraiment préparer notre avenir parce que c'est notre avenir qui est en jeu dans ces cas de figure donc moi, sincèrement, le communiqué du, de juin qui est intervenu là, 2020, je me dis il est à point nommé. Mais en dehors, il y a eu également il y a eu également des prises de conscience. En septembre, le 6 septembre 2018, vous avez parlé du comité technique qui a été mis en place. Le comité a travaillé. Il a rendu un rapport qu'il a soumis au gouvernement. Et le gouvernement a également pris certaines décisions par rapport aux, aux bâches qui, obstruent certaines allées lors des mariages, baptêmes et décès, et également euh, certaines activités menées également à ces événements sociaux. Mais, comme je l'ai dit tantôt, je suis désolé, c'est un suivi qu'il n'y a pas. Et vous connaissez le Nigérien. Tant qu'il n'y a pas de suivi, le temps de la décision ou du décret, les gens suivent à la l'aveuglette. Mais dès qu'il y a un relâchement, eux aussi, ils suivent ce relâchement pour continuer dans leur, mépris. Donc je me dis que sincèrement, euh, ce n'est pas prendre des décisions qui est l'important, mais de mettre un comité qui fera ce suivi. Certes, ils ont réchauffé le plat parce que c'était un plat qui était déjà là depuis 2018. Il faut maintenir ce plat sur, sur le feu. Parce que euh, vous voyez, quand on prend l'exemple, il faut illustrer le, port du casque, le, port de la ceinture de sécurité. Maintenant que les, choses sont, sont, au sérieux, vous avez vu, tout le monde suit tout le monde suit. Quand on a dit également il faut changer la carte, euh, le permis biométrique, il faut changer également l'immatriculation des véhicules, les gens, sont en train de suivre. Ah, là-bas, il y a la police. Peut-être que dans certains secteurs, il n'y a pas assez de force euh, pour euh, de temps en temps rappeler à l'ordre les citoyens nigériens. On n'a pas besoin, pour les événements sociaux, on n'a pas besoin de police. On a une conscience la conscience doit frapper les uns et les autres. Parce que quand vous prenez le cas des mariages et autres, les gens ont envie de se marier, mais vu le contour des dépenses, les gens sont un peu réticents. Et quand vous voyez également les mariages, les mariages se font entre clans. Je ne marie que quand, c'est ma classe sociale, ou bien je ne prends pas quelqu'un qui est quelqu'une ou quelqu'un qui est d'une famille démunie ou d'une classe moyenne. Et c'est dommage. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de classe sociale. Donc moi, je me dis que, sincèrement, pour cela, on n'a pas besoin de, police. Il suffit seulement de sensibiliser, comme vous l'avez dit, pour que les gens changent de comportement. Parce que, euh, certes, le comportement, il est inné, il est dur à changer. Madame Kadiga, sans vous couper, est-ce que vous avez euh, illustré le cas de ce qui se passe dans la région de Maradi à travers ce qu'il convient d'appeler le Gara le Gara s'est étendu même à Niamey ce n'est pas seulement à, à, Maradi. À Maradi, c'est très important. Et moi, sincèrement, hein, malgré qu'il y a des dépenses autour de cela, moi, je me dis que c'est une bonne chose parce que le, le, le, mari ou sa famille ont beaucoup dépensé. Maintenant, euh, au retour, la famille de la, de la jeune mariée l'accompagne en vivre ou bien lui donne en tout cas une somme importante pour qu'il puisse s'affirmer. Donc s'il a un petit boulot, donc qu'il puisse vraiment faire le commerce ou autre chose. Donc le temps qu'il sorte de ce qu'il a fait comme des dépenses, on l'accompagne. Moi, je me dis que c'est des mesures d'accompagnement mises en place. Il y a certains qui abusent, qui prennent même du crédit pour se marier. Euh, de tout temps, de toutes les façons, euh, on ne vit que sur le crédit partout le fonctionnaire, quand vous parlez du fonctionnaire ou du commerçant, certaines dépenses, on ne peut pas les faire sans demander à autrui. Ce n'est pas possible, sauf si vous avez euh, cotisé pendant au moins une dizaine d'années pour pouvoir. C'est pour ça que je vous ai dit que on doit se donner des objectifs. Quand vous vous fixez des objectifs, vous arriverez certainement à vous affirmer. Mais tant qu'il n'y a pas d'objectif, chaque jour on vit au jour le jour, ce n'est pas possible, en tout cas, de, de, faire face à ces événements sociaux sans pour autant prendre crédit, que ce soit auprès des institutions bancaires ou bien auprès d'autrui. Madame Babi Kadika, l'un des credos de la renaissance euh, culturelle euh, prônée par le président de la République, Issoufou Mahamadou, vise à mettre fin à cette irrationalité ambiante selon les propres thèmes du communiqué euh, du Conseil des ministres afin de créer les conditions favorisant la promotion d'une culture de sobriété, condition sine qua non pour la lutte contre le gaspillage et en vue de renforcer les bases d'une mentalité propice à l'investissement est-ce cela est facile euh, ou même possible sur le terrain, madame Rien n'est impossible, comme on l'a dit. Et c'est ce que je vous avais dit tantôt. Je vous ai dit que tout ce que le président a dit pour faire la Renaissance, acte 1 et acte 2, repose le, sur la sensibilisation. Et qui dit sensibilisation, information, communication, dit changement de comportement. Certes, ça va être de longue haleine, même si lui, peut-être avec ce mandat, il ne le verra pas, les autres qui vont venir, s'il continue dans cette même lancée, parce que ce n'est pas seulement avec lui qu'il faut arrêter, il faut également continuer pour que nous changeons, parce qu'on dit qu'une société qui ne change pas doit disparaître. Donc moi, je me dis que sincèrement, c'est possible nous pouvons vraiment changer. Mais il ne faut pas que ça soit comme euh, de la mode. Aujourd'hui, on, fait fait dépenses constatatoires, on s'arrête. Demain, on fait Covid-19, on s'arrête. Non, il faut aller. C'est une, lutte de longue haleine qui verra ses fruits au bout du temps. Donc vraiment, il ne faut pas se dire que c'est en T que les gens vont changer. Non. Quand ils vont prendre, en force de les, bombarder de sensibilisation, de messages, ils vont se dire, mais ces gens-là, ils le font pour nous, pas pour eux. De toutes les façons, c'est notre poche qui empathie, ou c'est même la famille qui empathie. Donc moi, je me dis que vraiment, euh, c'est c'est à bien, ça tombe bien et certainement ce n'est pas tombé dans l'oreille euh, des sourds parce que le Nigérien, il, aime le changement. C'est pas parce qu'il l'aime pas, mais on est un peu tatillon là-dessus. On est un peu, euh, comment on dit, on va à petits pas parce que le Nigérien n'aime pas être trop brusqué. Vous voyez Et il y a également, autour de ces choses, la solidarité. Le président a demandé également que les gens soient solidaires entre nous. Avant, vous voyez, quand il y a des mariages, les grandes familles s'unissent et ils font des cotisations, ça suffit pour que euh, la personne fasse ces événements. Maintenant, ce n'est pas le cas. C'est du, comment on dit, euh, on te laisse chacun pour ça comme dans la jungle. On te laisse faire à toi-même. Quand j'ai eu un événement, tu me donnes 20 000. Quand tu auras ton événement également, je vais te donner entre 30 et 40 000. C'est comme si c'est devenu une monnaie d'échange. Et c'est dommage. Donc, le président, vraiment, il a demandé à ce que les gens ne fassent plus de ça euh, une, monnaie d'échange, que nous soyons solidaires, qu'il y ait la parenté responsable, tout ça. Donc, moi, je me dis que, sincèrement, c'est possible c'est possible que nous changeons. C'est possible que nous changeons. Oussa, salam alaikum. Abdel Fattah Mahmoudou, en tant que prédicateur en islam, quel regard portez-vous aujourd'hui euh, sur euh, les cérémonies de mariage et de baptême ici au Niger Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم الصلاة والسلام Ala أشرف المرسلين محمد علم الهدى D'abord, l'homme appartient à Dieu. Sa fortune aussi appartient à Dieu. Et Allah a donné la fortune à l'homme pour une gestion. Et il va répondre de cette gestion. Allah a tracé un canevas pour l'homme. Comment il doit dépenser. Donc, euh, à travers la gestion de l'homme, dans euh, nos comportements de tout à l'heure, dans l'agissement de l'homme, dans tout ce qu'il fait, il doit chercher à mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas chercher la satisfaction des hommes. Le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam la Chercher la satisfaction des hommes, c'est un but qu'on ne peut jamais, jamais atteindre. Une fois, un sage a appelé son enfant pour lui montrer, lui démontrer ce que nous venons de dire là. Il dit Viens, mon enfant en sortant de la maison, ils sont sortis avec un âne. Et ils doivent voyager. Et il fait chaud. En tant que euh, sage, le vieux est monté sur l'âne. Et l'enfant est à pied. Ils ont cheminé un peu quand ils ont rencontré le fils de l'homme. Oh! J'ai rencontré un vieux vraiment qui n'a pas pitié. <laughs> Lui sur l'âne, son enfant à pied sur le soleil là, le vieux a dit à son enfant, as entendu Le vieux est descendu. Le petit monte. Le petit monte. Il continue à marcher, ils ont rencontré quelqu'un euh, quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai rencontré un vieux vraiment qui est con. Comment doit le vieux appuyer euh, l'enfant sur l'âne Il a dit à l'enfant, t'as entendu Les deux sont montés sur l'âne. Sous la chaleur Sous la chaleur continue. Ils ont rencontré encore Fils de l'homme. Mmh, mmh, mmh. J'ai rencontré vraiment des gens qui n'ont pas pitié. Comment vous deux sur ce petit tanon, euh, ce tanon-là, vous allez le tuer <laughs> dit à l'enfant, <laughs> entendu L'enfant a dit oui. Les deux vont descendre. Vont descendre. Ils ont laissé l'âne. Ils sont derrière là. Ils ont encore rencontré le Fils de l'homme. Oh, j'ai rencontré des gens qui sont bêtes. Aujourd'hui, vouloir chercher la satisfaction auprès des hommes, auprès des hommes, c'est un but qu'on ne peut jamais atteindre. Par conséquent, chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est possible. Tout religieux doit chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son intention il doit plaire à Dieu et non pas plaire aux hommes. Mais euh, Oussaz Abdel Fattah est-ce que l'esprit de sobriété et euh, d'investissement euh, sont contenus dans la religion musulmane L'islam est venu sauver l'humanité en lui proposant une façon de vivre pour être à l'aise. Et il lui demande d'être humble dans tout ce qu'il fait. Vous voyez, le seul fait qu'on soit dépensier, qu'on des actes ostentatoires, la morale islamique nous dit celui qui fait des dépenses ostentatoires est le frère du démon. Est-ce que, vous faites savoir euh, tous ces détails-là à la population, aux citoyens nigériens Tel que madame vient de le dire. Peut-être que c'est l'ignorance. Euh, euh, suivez-moi d'abord. D'abord, il y a l'ignorance. Il y a les gens qui entendent, qui n'appliquent pas. Pour qu'on puisse réussir c'est-à-dire le marabout peut prêcher mille ans. Les gens entendent, mais ils vont jamais appliquer. Il faut que le pouvoir soit là pour dire que ce que le marabout vient de dire là, tous ceux qui n'appliquent pas, voilà. Hein. Mais les gens vont appliquer. Le problème de la ceinture verte la dernière fois, c'est fini comment <laughs> Voilà, il faut que ces deux-là s'entendent pour qu'on puisse réussir. D'abord, le savant et l'homme politique. C'est les deux-là qui peuvent réussir cette affaire-là. Abdel Fattah Mahmoudou, euh, les dépenses lors des cérémonies de mariage et de baptême varient selon les traditions des différents groupes sociaux. Comment l'islam aborde-t-il les questions liées à la tradition concernant le mariage et même le baptême Voilà, et tel que je l'ai dit tout à l'heure, il y a un canevas qui est tracé. L'homme dans ce qu'il fait, le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié. Ses compagnons se sont mariés. Mais dans le mariage, qu'est-ce qu'on veut faire Avant, ça n'existait pas. D'où vient euh, euh, ce phénomène euh, des dépenses, du gaspillage là Oui, c'est parce que l'homme s'est éloigné de son Seigneur. Une fois qu'on s'éloigne de la religion, on ne peut que suivre les, traces du démon. Vous me suivez Donc, vous voyez, le mariage est un événement. Et dans chaque événement, l'homme veut montrer que je suis satisfait et je remercie mon Seigneur. Mais comment faudrait-il le faire Le problème de la dot, est-ce que la dot n'existe pas en islam Elle existe. Et la dot varie d'une bague métallique jusqu'à un quintal, c'est-à-dire... Euh, c'est indéfini. C'est indéfini. Chacun selon ses moyens. Mais néanmoins, l'islam dit que le mariage béni, c'est celui dont la dot est moindre. Une fois que vous proposez une grosse somme à une femme, automatiquement, celle-là peut être orgueilleuse. Vous allez donner 5 millions ou 2 millions de dot à une dame et une fois arrivée à la maison, combien vous allez lui proposer comme... Euh, euh, euh, L'argent de la popote. Voilà. Si vous vous êtes forcé, puisque c'est le forcing que les gens font, vous vous êtes forcé, vous vous endettez pour aller chercher la dot. Puisqu'il y a un adage africain qui dit que ce n'est pas le mariage qui est difficile, mais c'est le vivre ensemble. Ce n'est pas amener la dot le problème, mais maintenant comment continuer la vie après le mariage. Et les gens, ils oublient tout ça là. Et c'est en ce moment que maintenant les problèmes se posent. Si la technique est prête, nous allons encore suivre le sociologue Alou Issaïe sur les conséquences de ces dépenses ostentatoires et le gaspillage lors des cérémonies au Niger. Ça aura des conséquences de répercussion. D'abord sur l'individu en lui, lui qui est en train de vouloir plaire aux autres, lui qui est entré dans ce système du mativisme, de paraître au lieu d'être eh bien, il aura, il va traîner les conséquences, dont, entre autres, l'endettement. Le, le surendettement de l'individu. Aujourd'hui, vous allez voir, je le disais tout de suite, il serait difficile d'avoir un Nigérien qui aura des événements pareils qui ne va pas plonger dans la dette. Pourtant, vous n'êtes pas obligé de vous endetter pour organiser votre mariage. Vous n'êtes pas obligé de vous endetter pour organiser le baptême de chez toi ou bien pour organiser les funérailles d'un parent. Il faut faire avec les moyens de bord. Les conséquences sont multiples en vérité. Au niveau de nos frères ou de nos sœurs qui s'adonnent à la multiplication des uniformes lors des mariages, c'est malheureusement la prostitution. La grande majorité d'entre elles, vous allez les retrouver parce que tout simplement, elles vont faire 4-5 copains pour vouloir satisfaire aux besoins des uniformes. Dès qu'il y a les uniformes, le mariage, on multiplie le copain. Et qui dit multiplication de copains dit forcément multiplication de débauches. Donc malheureusement, au niveau de ces jeunes filles, en grande majorité, c'est les conséquences qu'on a retrouvées. Puisque même si les parents sont nantis, les parents ne seront pas à mesure de vous octroyer autant d'argent pour chaque. Par exemple, les vacances, par exemple, si nous prenons pendant les vacances, les trois mois de vacances là, c'est pratiquement chaque, chaque semaine y a un mariage. Mais si à chaque semaine tu, tu, dois faire trois uniformes pour plaire au mari ou, ou à tes amis qui se marient, eh bien, vous ne pouvez pas, c'est intenable. On a cessé d'être rationnel, comme je le disais, on est tombé dans un monde irrationnel où la priorité c'est de plaire alors que notre priorité doit être celle d'être rationnel afin de pouvoir économiser et investir pour qu'on se développe soi-même individuellement. Et ensuite, on fait développer la communauté sociologue à y est-ce que la société n'a pas une responsabilité dans ce phénomène Mais évidemment, la société a sa part de responsabilité. Parce que tout simplement, c'est un des phénomènes, je dis, une des tares de notre société qui fait en sorte qu'on a privilégié le paraître au lieu de l'être. Donc c'est un problème d'abord de culture, un problème de transmission de valeurs à un moment donné de notre évolution sociale. Parce que tout simplement, si la société avait ramené les Nigériens, avaient dans notre éducation, on a introduit le fait d'être rationnel avec soi-même, de vivre avec une certaine modestie, d'être dans le juste équilibre, le juste milieu, comme on le dit, eh bien, nous n'allons pas plonger dans l'ostentatoire, nous n'allons pas plonger dans le mativisme. Ça, c'est un véritable complexe au niveau sociétal, un des mots de notre société qu'on doit extirper afin d'amener le Nigérien pour construire un Nigérien rationnel, un Nigérien qui puisse investir, qui puisse faire des priorités par rapport à son développement individuel, ensuite le développement collectif. Madame Babi Kadiga, euh, vous venez là d'écouter les sociologues. C'est dans cette optique euh, qu'un comité technique chargé de réfléchir sur les dépenses ostentatoires à l'occasion des événements sociaux a été créé. Je l'avais rappelé euh, dans le préliminaire. Avez-vous le sentiment que ce comité aura le soutien, l'adhésion des Nigériens pour l'atteinte de cette mission Et Je me dis que oui, c'est possible. C'est comme l'a dit tout à l'heure Oustaz et il suffit que le pouvoir accompagne. Et c'est quoi les mesures d'accompagnement C'est comme il l'a dit tout à l'heure, il faut interdire certaines pratiques. La dot, on peut dire que la personne, selon ses moyens, elle amène ce qu'elle peut, et c'est pour la fille. C'est un cadeau que tu fais à ta femme. Dieu l'a dit. Mais il y a certaines pratiques qu'on peut interdire. Comme on l'a fait pour le port de casque et pour la ceinture de sécurité, on peut dire un jour, on décrète que les, multiples bâches qu'on met sur les, les, artères pour obstruer les rues, là, on ne veut plus les voir. Et il y a des, la police sanitaire ou la police municipale qui va veiller à cela, c'est possible. Il y a les uniformes, comme il l'a dit également. Quand vous regardez autour de vous, lors des mariages, il y a eh, une tenue pour la fatia, elle est en, en, en basin, riche. Il y a une autre pour la journée, ça c'est en pagne, 6 000, 7 000, 7 500, 8 000 il y a euh, la dernière tenue qui est pour le cocktail. Sans compter les frais de couture. Oui, évidemment. Je ne vous parle seulement des tenues. Parce que la, couture appartient à l'individu. Elle peut faire pour 5 000, 2 000 ou pour 30 000. On peut acheter le pagne à 8 000 et faire une couture de 30 000. Ça dépend de ce qu'on veut, le but qu'on vise. Donc, les trois tenues-là, on est tenu les faire. Si on a quatre mariages, ça vous fait 12 tenues. Et il faut voir comment faire pour avoir ces 12 tenues. C'est comme il l'a dit, où on s'endette, ou on quémande pour s'abaisser, on s'abaisse pour quémander, c'est la mendicité, même si c'est une forme cachée de la mendicité, ou alors on s'adonne à la prostitution comme on l'a dit. Souvent, on n'a même pas besoin de petits copains. C'est des, des, des que les, femmes font pour avoir les, trucs, ou vous mentez à votre mari, ou vient vous diminuer de la cocotte. Il y a beaucoup de pratiques qu'on fait pour pouvoir atteindre l'objectif d'avoir ces tenues. Et je me dis que c'est dommage. Mais le pouvoir peut accompagner avec des décrets, avec également des décisions, que les gens sont obligés. On est même fatigué. Quand vous regardez, les femmes sont fatiguées. Si tu as dans la famille trois filles, regardez ce que vous allez faire comme dépense En dehors de la femme, il y a les trois filles aussi à habiller. Les trois filles auront chacune trois, trois, ça fait neuf. La femme trois, ça fait déjà douze. Sans compter également votre tenue ça fait déjà les 13. Et sans compter les dépenses qui tournent autour. Moi, je me dis que c'est possible. Si le pouvoir s'y met, nous pouvons vraiment atteindre cet objectif. Il y a également euh, la petite cope là qu'on amène à la jeune mariée pour dire que c'est les trucs de, de, de, là. Ça, c'est religieux ou bien c'est culturel C'est culturel. Ce n'est pas religieux, c'est culturel. C'est comme on l'a dit. La religion là, c'est la dot, c'est attacher le mariage avec la cola ou les dates et on amène la jeune le père même de la jeune mariée peut l'amener chez son mari. Point final, pas de cortège, pas de, manger, rien. Le mariage, c'est la fatia. Et les avec la fatia, le reste importe peu. Elle peut elle-même, avec sa mère, son père ou bien un parent, aller directement chez son mari. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. On n'a pas besoin de tout ce cortège. Et vous voyez, pendant les cortèges, ce qu'il y a, des accidents un peu, un peu, partout. Donc, moi, je me dis que nous implorons, le comité est en train de s'atteler, on l'a réchauffé. Je pense que ça va aller avec les sensibilisations, avec également les mesures que nous allons prendre pour pouvoir accompagner cela. Donc vraiment, c'est possible. Et vous avez vu, il y a un an, les mariages qui se sont tenus, c'est à des coûts de millions. Et ce n'est pas des petites familles, c'est des gens qui sont aisés. Si moi, je me permets de faire cela, je me dis que ou je m'endette ou je passerai par l'escroquerie pour le faire. Et ce n'est pas bon pour mon visage, comme on dit. Je ternis mon image. Madame Babi Kadiga, est-ce que la renaissance euh, culturelle prend en compte les mariages des enfants, les mariages, comme on le dit, les mariages précoces Nous, nous avons toujours décrit cela. Nous avons dit qu'il faut laisser la chance aux filles, et surtout aux jeunes filles, d'aller à l'école. Pas à 16 ans. Il faut laisser la, fille continuer pour s'affirmer. Quand vous regardez euh, dans les familles, c'est les filles qui ont pitié des familles. Les garçons, eux, c'est pas le problème. Le plus souvent, dès qu'ils ont un peu d'argent, c'est la petite copine, c'est la belle famille. Alors que la fille, elle, son premier souci, c'est sa famille, c'est le bien-être de sa famille. En tout cas, moi, j'ai l'expérience. Les filles aident mieux les familles les garçons. Donc il faut laisser la jeune fille aller à l'école. Quand elle aura l'âge de se marier, elle va certainement choisir son petit copain avec qui elle va se marier parce que quand vous regardez, les mariages forcés le plus souvent sont voués à l'échec. Et c'est ce qui fait que ou la fille, elle a une grossesse précoce entouré de, la fistule de tout ce qu'il y a autour, parce que son bassin n'est pas encore mûr pour, pour, recevoir. Il y a également la prostitution, il y a l'adultère, parce qu'elle n'aime pas ce type, elle aime un autre. Donc vous voyez, c'est tout ce qui tourne autour. Nous, de tout temps, on a toujours euh, défendu cela et nous nous attelons avec des, communications, avec également des sensibilisations, surtout avec les acteurs qui nous, qui nous accompagnent. Oussad Fattah Mahmoudou, euh, selon vous, comment éviter le gaspillage lors des cérémonies au Niger Et L'essentiel, c'est de revenir hein, au Coran et au Hadith. Le marabout peut prêcher mille ans. Les gens entendent. Quelques-uns parmi eux peuvent appliquer, mais la majorité, ça rentre par euh, l'oreille droite et ça sort de l'autre côté tant que le pouvoir n'accompagne pas. Selon vous, comment le pouvoir doit accompagner ce processus, ce comité eh, tel, tel que Madame vient de le dire. Puisque eh, eh, l'homme politique est là, il est responsable, non De la bonne marche de, de la société. Et le marabout aussi est là pour dire que voilà ce que Dieu attend de nous. Les deux conjuguent leurs efforts pour que la société puisse être vraiment sur la bonne voie. Vous voyez, et tel que je l'ai dit tout à l'heure, l'islam nous recommande de, que d'abord d'éviter les dépenses ostentatoires. Celui qui ose poser des actes ostentatoires, il est le frère de Shaitan. Donc, tout religieux, tout religieux doit s'abstenir de le faire. Et c'est ainsi aussi, il faut éviter les abus dans ce que nous faisons. Qu'au cours des cérémonies, on peut égorger trois ou combien de, euh, de, bœufs. Il n'est pas interdit de euh, les fester. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kulu wa sharabu, sur vous. » Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès au cours de nos cérémonies. Des fois, c'est quelques morceaux seulement qu'on mange, le reste, on, on laisse ça par terre, les gens marchent là-dessus, les nourritures se retrouvent dans les dépotoirs. Pendant qu'il y a des nécessités qui en ont besoin et qui ne mangent pas. Pour mieux appliquer ça, il faudrait qu'il y ait un exemple. Il faut que celui-là qui est devant montre l'exemple. On ne peut pas interdire aux pauvres de ne pas faire, alors que les nantis, ils le font. Donc ceux-là sont obligés aussi d'agir tel qu'ils ont agi. C'est là où se trouve le paradoxe. Ah, ne faites pas cela. Si je suis député ou je suis ministre, moi je pose cet acte-là. On voit chez moi que j'ai égorgé cinq peu, les gens ont fait ceci, ont fait cela. Le pauvre aussi va m'imiter. Voilà là où se trouve le problème. Il faut qu'on ait un homme orchestre. La loi doit s'appliquer à tout le monde. Voilà, voilà. Le problème, c'est ça. Celui-là qui est devant doit donner l'exemple. Il y a un adage qui dit que quand les chevaux euh, vont ensemble, ceux de derrière là ne regardent que ceux qui sont devant. Madame Babi Kadiga, qu'est-ce que l'État du Niger peut faire pour apporter des solutions urgentes, concrètes à la problématique liée aux dépenses ostentatoires lors des cérémonies, euh, baptême et même lors des décès de façon urgente De façon urgente, c'est un décret qu'il faut, pris ah. par le président il décrète lui-même, il décrète qu'à compter d'aujourd'hui, on ne fera plus les bâches là devant les À un moment, il, a, il, y a eu un arrêté du, conseil de, ville mm-hmm, mm-hmm. pour dire non, il n'y a plus de bâches. Maintenant, c'est un décret pour que ça soit sérieux. Il le prend pour dire que ça n'est vraiment fini, il en a ras-le-bol. Mais par rapport au, au, pour également interdire tout ce qu'il y a comme dépenses qui n'ont rien à voir avec le mariage. Il peut les interdire également. Maintenant, les dépenses liées aux valises, à la dot, c'est la sensibilisation avec les prêcheurs comme euh, nous avons nous l'avons dit tantôt parce qu'il faut médias, pas les, tous les acteurs tous les acteurs je suis en train de les citer vous allez un peu plus vite donc <coughs> c'est avec ces acteurs qu'il faut qu'il doit qu'on doit composer pour pouvoir les sensibiliser afin qu'ils prennent conscience que ce qu'on est en train de faire c'est pour eux-mêmes parce que euh, si on, t'empêche d'aller t'endetter pour faire un mariage ou un baptême ou euh, des funérailles, c'est pour toi-même, parce que de toutes les façons, c'est ta, cagnotte qui va être diminuée. Mais euh, si tu, tu, suis ce que, le, ce que le pouvoir a dit, tu sauras que vraiment c'est un soulagement, un ouf de soulagement pour toi. Mais pour le moment, surtout les bâches là, il faut, et les tenues, les tenues, surtout les tenues, les uniformes là, on peut les interdire. Interdiction de faire uniforme, c'est possible. Tout de suite, tout de suite, il sort un truc, il dit pas de bâche devant les les rues, les rues pas de cortège, les, voitures là qui font drift drift derrière le marié ou les jeunes mariés. Vraiment, ça, c'est possible. Les trois choses-là sont possibles. Madame, tout à l'heure, Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou euh, disait que euh, c'est aux, autorités de donner le meilleur exemple. Est-ce que c'est facile <laughs> à ce niveau Pourquoi c'est pas facile C'est très bien facile. Si, Madame la directrice <laughs> marie une de ses, filles, euh, comment elle doit le faire moi, c'est ce que je disais à mes filles, j'en ai deux. Il y a une qui n'est pas là, il y a une qui est avec moi. Je leur ai dit que le jour du mariage, je, n'avais même pas euh, pensé aux dépenses ostentatoires. J'ai dit, je ne vais pas euh, demander à tout ce beau monde-là de rester pour manger. Pour manger, parce que en, à restant attendre le, déjeuner, c'est du cormotou. Ils vont parler d'autrui. Et tout ça, c'est sur mon dos. J'y le bœuf, je distribue à ceux qui sont autour de moi. On fait la fatia, les gens s'en vont le soir, je t'amène chez toi. Ce que Madame la directrice compte faire. Oui, c'est ce que je compte faire, le minimum. En tout cas, c'est ce que j'avais dit à ma fille. Elle me dit, euh, elle n'est pas une poule. J'ai dit, <laughs> j'ai dit de toutes les façons, si, la décision, ben comme je, le, je, je le ferai ainsi, sincèrement, sans, sans tapage ni trompette. C'est mieux. Comme il l'a dit, c'est même plus béni par Dieu. C'est plus béni. Mais vous voyez, regardez maintenant, dès qu'on amène la dot, c'est la valise, on prend la photo de la valise avec une somme là-dessus, les deux photos de, du jeune mari, de la jeune mari, on, balance sur les réseaux sociaux. Et, les uniformes euh, Même l'uniforme. C'est quand je sors l'uniforme qu'on va faire l'uniforme. C'est à moi de sortir. Si je ne sors pas l'uniforme, on ne va pas me l'imposer. Je préfère que chacun m'amène l'argent de l'uniforme là comme contribution que de porter l'uniforme et de venir pavaner pour dire j'ai fait ça, j'ai fait ci. Non. Sincèrement, moi, c'est ma, ma conviction personnelle. Oustad Fattah Mahmoudou, rapidement, euh, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour euh, mieux lutter contre les dépenses ostentatoires et le gaspillage lors des cérémonies et autres événements au Niger D'abord, il faut que nous craignions Allah subhanahu ta'ala et revenir vraiment euh, à la source de notre religion qui est le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa Il faudrait que le prophète alayhi wa sallam nous soit vraiment un exemple dans tout ce que nous faisons. Comment lui, il s'est marié, comment il a marié ses filles, chacun de nous le sait. Et comment les compagnons euh, ont fait leur mariage, euh, comment ils ont donné leurs filles en mariage. Tout est là, tout est écrit, tout, chacun le sait. Si on les applique, vraiment, c'est la paix si Oustaz arrive à, marier euh, son fils ou sa fille, euh, comment Moi, je euh, l'ai fait en 2016 ici. J'ai fait marier ma, fille, c'est Samira. C'est dans la modestie. C'est Dans la sobriété. oui, oui, dans la modestie, on a fini. <laughs> Allez-y rapidement, eh, madame. Merci de me donner la parole une fois de plus. Regardez pendant le Covid, quand on avait instauré le couvre-feu, comment les gens se mariaient. On faisait la fatia et déjà à 17h, la jeune mariée est chez elle, sans cortège. Pourtant, personne n'est mort. Et ça s'est bien passé. Et actuellement, ces gens sont chez eux. Donc moi, je me dis pourquoi pas. Non, c'est possible, c'est bien possible. possible. C'est très bien possible. Voilà. n'est pas nigérien. Voilà, de son côté, le gouvernement entend organiser un forum national sur ces pratiques, mais aussi sur toutes les questions soulevées dans le programme de la Renaissance culturelle. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Babi Kadiga, directrice de la culture civique et de la sensibilisation au ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale et Oustaz Abdel Fattah Mahmoud, prédicateur en islam. Nous avions également invité l'Alliance des missions et évangéliques du Niger, mais euh, qui n'ont pas pris part à ce forum. Euh, merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 45 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assuré par Mustafa Ayouba et côté vidéo Seini Isaka. Euh, merci Merci, au revoir.